Merci beaucoup. Mais avant tout, permettez-moi donc de remercier toute la jeunesse des alliés donc, du département de Guédiawaye. Euh, cette journée s'inscrit donc dans notre plan d'action. Donc c'est une journée donc de signature de convention, de partenariat avec les jeunes donc, de la CNTS et donc euh, la coalition Benobok Yakar Jeunes. Cette journée au moins, ça nous a permis d'avoir 150 jeunes qu'on va former au niveau donc, du département. Euh, donc par rapport à la situation, je vais au moins euh, m'inscrire par rapport au programme politique du président de la République. Parce que, parce que euh, depuis quelques temps, le président donc, a dressé donc, une politique, a tracé une politique de jeunes et la jeunesse donc, des alliés donc, du département de Guédiawaï donc, est, en phase avec cette politique. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a initié cette journée euh, d'intégration et là, au moins, il y aura d'autres plans d'action qui vont suivre. Mais il faut noter que depuis 2012, cette jeunesse donc, des alliés euh, du département de Guédiawaye ont toujours répondu présent euh, dans tous les combats, dans tous les rendez-vous politiques donc, euh, du président de la République. Mais par contre, cette jeunesse est laissée en rade. Vraiment, cette jeunesse est laissée en rade. Donc, nous invitons à, l'ensemble de nos responsables d'accompagner cette jeunesse, d'aider cette jeunesse. Mais aussi, nous sollicitons au président de la République d'accompagner nos leaders. Vraiment, parce qu'actuellement, si nos leaders ne parviennent pas à gérer donc, cette demande sociale, il y aura donc des problèmes au niveau donc, de la base. Et à Guédioua, il y a une forte demande sociale. Donc les jeunes ont besoin donc, de formation, les jeunes ont besoin donc, de financement, les jeunes ont besoin donc, d'emploi. Et là, à chaque fois, donc, ces, ces jeunes-là, ils mouillent le maillot pour au moins, donc, déjà au moins donc, euh, répondre donc, euh, euh, aux, actualités donc, du président de la République. Oui, donc, donc, euh, cette convention nous a permis d'avoir au moins 150 jeunes qu'on va former. Qu'on va, on va former pour, au-delà donc, de l'entrepreneuriat, pour la maîtrise donc des démarches administratives. Parce qu'en fait, beaucoup de jeunes ne parviennent pas à donc, euh, rédiger un bon CV. Beaucoup de jeunes ne parviennent pas à donc, déjà donc, euh, écrire donc, une lettre donc, de motivation. Mais par contre aussi, il y a beaucoup de jeunes qui perdent donc, donc, leur emploi à cause donc, déjà, donc, de ne pas pouvoir maîtriser l'entretien donc, professionnel. Donc déjà, euh, cette convention, cette formation va permettre à ces jeunes-là de mieux comprendre donc déjà donc, euh, les procédures administratives sur le plan donc déjà donc de, recherche d'emploi, mhm. mais aussi donc déjà de mieux gérer la situation donc déjà donc euh, des entretiens. Évidemment, parce qu'actuellement notre notre notre coordonnateur qui est à c'est un chômeur. Un chômeur ne peut pas aider donc cette jeunesse. Auparavant, au moins, il aidait donc beaucoup de jeunes, mais c'est un chômeur. Donc déjà, et aussi, au-delà donc de Aliou Sall, donc déjà, euh, les responsables de parti, donc des alliés, donc déjà, donc actuellement, donc, ont des difficultés pour aider leur jeunesse. Donc on a besoin que nos responsables, donc, dans, donc chaque parti, puisse être renforcés Parce que si nos responsables donc, et donc les responsables sont renforcés. Là, donc, cette jeunesse donc, va au moins donc, déjà... Non, non, je ne parle pas d'Aliou Sall. Je parle d'une manière générale. Parce qu'actuellement, la coalition, il y a un responsable. Il y a donc euh, des multiples de partis et de mouvements. On a besoin que ces responsables-là puissent être renforcés par le président de la République. Parce que nos leaders, vraiment, manquent de moyens pour pouvoir gérer donc, leurs Ça, ce n'est pas l'heure du jour. pas du jour. Donc déjà, on préfère déjà s'inscrire par rapport à notre programme. Euh, on ne veut pas aller trop vite en besogne parce qu'actuellement, le président de la République est en train de travailler avec l'ensemble des ministères pour trouver euh, une stratégie pour au moins donc déjà donc euh, euh, par rapport à cette politique qu'il a tracée. Donc on attend donc euh, après le 22 donc le président va tracer donc donc les démarches à faire et donc la voie à suivre par rapport au financement par rapport non présentement donc cette jeunesse cette jeunesse est vraiment bien préparée parce qu'ils ont donc des, donc des militants ils ont aussi donc des sympathisants. Et aussi, ils travaillent pour, la, pour toute la jeunesse donc, de Guédiawaye. On ne travaille pas pour au moins donc, déjà, euh, jeunesse donc, déjà, donc, de la majorité, mais nous, on travaille pour donc, toute la jeunesse donc, du département de Guédiawaye. Donc, on attend donc, le mot de présent pour pouvoir au moins donc, déjà, donc, euh, démarrer donc, les voies et moyens pour aider ces jeunes-là à obtenir donc, de financement, mais aussi donc, d'emploi, mais aussi donc, donc, de formation. Mais la, synthèse du sol la synthèse joue son rôle. Parce qu'au-delà, au moins, donc, déjà, donc, d'être au moins donc, euh, euh, un syndicat qui, qui, qui, qui, qui impose, donc, qui, fait donc, des, donc, des doléances, mais aussi, euh, c'est un syndicat qui est au, service donc, de la population. Donc, déjà, la synthèse donc, est en train de jouer son rôle. Donc, la synthèse donc, est gagnante par rapport à, à cette convention, à ce partenariat. Mais la jeunesse ne peut pas aller sans, sans, sans, sans nos parents. La jeunesse ne peut pas aller sans nos parents. Donc la jeunesse est responsable. La jeunesse donc déjà est l'avenir de ce pays. Mais on a besoin donc d'être accompagné, d'être encadré et donc d'être soutenu. Waouh Tout d'abord, je me remercier beaucoup les jeunes qui ont été ñoo ngi remercier ci wuyu si bi ngeen ñu nous, su nous, bi nous, wuyu di wax ne tay ji dañoo ñëwoon tay ji def ben signature de convention boo xamante ni waa synthèse ñoo ko doon def ak des jeunes arriérés du département de Guédiawaye parce que ku ne xam ne jeune arrière du département de Guédiawaye depuis 2012 ba léegi ñu ngi ci biir département bi di mën seen combat boobu ba tey xañ na nag euh, bëggoon nañ koo def mais pandémie bi moo nekkoon suñu gàllankoor ba boobu ba tey mënuñu ko woon def ndoor moo taxoon affaire bi xaw a yéex tey jii nañ koy soog a def di di félicité aussi tamit son excellent président de la république bi nga xamante ni ku ne xam na ne Sénégal euh, jël na engagement boo xamante ni en voie de développement la pandémie bi euh, am nañ ci résultat yu am solo moo taxoon tey ji affaire bi xaw a ba tey ji ñu koy def moy les du département de Guédiaway convention bi tay nañ ko xaatim ci anam yu wor 150 euh, jeunes nañ bëgg a former sur ñu former ci partenariat parce que tamit ku ne xam na ne am na jeune yoo xamante ni dañoo nekk fii pour ñu bind seen CV normal sax mënuñu ko looloo taxoon tey ji ñu ne ñu bénéficier wu ci occasion boobu pour former 150 jeunes euh, def partenariat ak waa synthèse waaw du question ne dañ di fàtte ci rek li mu wax mooy nañ renforcer sunu adultes yi parce que bu ñu renforcer adultes yi renforcer parti yi foog naa ne jeunesse bi aussi tamit dina mën a dem euh, mënuñoo dem sans nos adultes le coordinateur monsieur Aliou Sarr ñu ngi koy remercier au passage de camarade l'honorable député madame la maire Aïda Sow Diawara tamit ñu ngi koy remercier tamit bu baax moo ngi ñuy jàppale di jàppale alliés yi tamit fii ci au niveau du département de Guédiawaye di lancer un appel pour le président gestu le département de Guédiawaye xam ne depuis 2012 ba léegi les jeune alliés ñoo ngi nii di muyéer a mayo euh, nekk ci département bi di ñafe bu baax ñu gestu leen bu baax a baax donc tey ñuy am mbégte kontante

bagage yooyu mooy waral xeyna nga war a do meuna mën donc loolu mo war taxone ci formation bi ak wa synthèse bi ñu taxawal muy convention bi ça c'est vrai loolu dañ koy dañ la koy nangul loolu am la parce que fi département de Guédiawaye depuis 2012 ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar nek ci di liggéey di liggéey liggéey bu yaatu surtout ñun jeune yi amul benn combat bo xamantene tay jeunesse jeunesse allié lay wax man hein ah, wouté nañ ko amul benn combat combat bo xamantene ne na fi muy le coordinateur, monsieur le maire Aliou Sall ñu koy nuyu di ko remercier ci engagement bi aussi bi nga xamante ne jël na ko pour ñun jël na engagement pour ñun donc engagement bi bari na muy comme le président de la république monsieur Macky Sall donc tout d'abord foofu laa waroon njëkkee sax ñu koy féliciter c'est apaisement bi nga xamante ne émeute bi amoon na fi mu indi ko engagement bi mu indi ku ne xam nañ ko dañoo nekk ci jamono joo xamante ne ndaw ñi dañoo soxla xëy dañu soxla liggéey ñii formation lañ soxla am na ay góor am ay jigéen engagement bobu lañ tok waxtaan ak mom mu jël ko kon donc lool motax man ñu ngi si remercier engagement bobu ñu ngi ñaan yalla bala ñuy dajawaat ak yeen engagement bobu am bu ko défé bu ñu ak yeen mu leen na kat monsieur le maire alou Sall engagement bu mu jëlun ak ñun kat respecté nok mais discipline lañ am rek ay responsable lañ am nek ci kaw te dañ yar te bala ñuy wax fook ñu wax ak ñom xeyna sax li ñu fepp nañ sans tagu leen parce que jeune kat dafa am autonome jeune dafa am autonome dafa war di di wax di tek ay preuve yu lèr respect rek moo taxoon mënuñu woon génn automatiquement di wax mais actuellement boo gisee jeunes yi nga gis ñii taxaw ni sama ginnaaw ñëpp ëpp na am na ñu nekk ci salle bi bari nañu ay parti politique la ñu nekk ci département bi ñoom ñëpp ñun ñëpp ñoo bokk benn kàddu xëy na ñun ñi dañ si fës rek mais ñu si ginnaaw ñoo yor lépp dañu bëgg nag ñu ngi ñu ngi woo aussi le ministre de la jeunesse madame Fatoumata Néné Tall na xam na ministre la d'accord ministre la pour pour Sénégal mais ñun Guédiawaye lañ dëkk ak moom ñun jeunesse Guédiawaye ñu ngi koy woo pour si xëy mi ñu ngi koy woo si formation ñu ngi koy woo si lépp balaa may tëj foofu damay remercier aussi madame Aïda Sow Diawara madame la maire de Golf Sud parce que vraiment jàppale nañu si côté bépp effectivement loolu plan d'action waa Pikine la xam nga da nga ne Pikine na Guédiawaye donc ñun ñu ngi siy liggéey ñu ngi siy liggéey pareeguñu ndaxte mooy li ma la wax sànq rek nekkul ñun ñu fës nii ñoo yor kàddu gi gis nga ñi si ginnaaw nii ñoo yor ñoo yor mbir mi ñu ngi siy liggéey liggéey bu am solo buñ si paree rek dinañ leen woowaat ne kat lii lañ pare pour def lii lañ bëgg ñu defal ñu